Kitari, comment tu vas C'est ça la surprise les fait, ladies and gentlemen. Je vous l'avais dit, il est là donc euh, c'est la surprise en tant que sur là. Comment tu vas Kitari Ouais, merci. Ah, eh, fais-moi un check, fais-moi un check. Et eh, tu sais que j'arrive Oui, bah, bien sûr, je sais que tu es libre. Super. Alors qu'est-ce qu'on fait On se rend en Euh, oui, mais tu fais un coucou à l'équipe déjà Un coucou à l'équipe Oui. Un coucou à l'équipe. réunion coucou. Allez, on, vous laisse, nous, on va aller. Voilà. Merci. Vous êtes sur l'artiste s'exprime, mesdames et messieurs. Alors, Kitari, tu vas nous parler, euh, n'est-ce pas, un tout petit peu d'abord de toi pour permettre à tes fans de savoir qui tu es véritablement. On commence par la base, c'est important de rappeler toujours hein, pour, le, pour, la mise à jour, comme on dit. Quoi. Mon nom à l'état civil, c'est Mohamed euh, Kitari Haruna Koulibaly. Voilà. Et voilà, je suis artiste chanteur, mais je suis également acteur. Acteur du cinéma, acteur de théâtre scénique et tout ce qui va avec. Je suis également, euh, bon, j'étais étudiant parce que là, j'ai pratiquement arrêté. j'ai fini avec mon master 2. Et là, je, en logistique et transport. Uh-huh. Donc euh, là, je me consacre principalement à ma carrière en fait. Alors, puisque tu te consacres donc euh, à ta carrière, on va parler de cette carrière en fait, euh, de comment est-ce que les choses ont commencé. La musique, je suis avec parce que je suis en contact depuis mon bas âge et tout. Mm-hmm. En ce qui me concerne personnellement, ma carrière personnelle que j'ai débutée, je dirais que ça fait quelque chose de trois ans tout au plus. D'accord. J'ai commencé à peu près trois ans parce que j'ai d'abord commencé avec juste un petit featuring avec deux rappeurs, Max D et Mike Shine. Ok. Donc c'était mon tout premier son, c'était mon tout premier morceau. Et après, c'était le déclic, quoi. C'était parti. Donc, euh, disons que ça fait à peu près trois ans que je chante. Trois ans. Trois ans. Super. Alors, puisque ça fait trois ans que tu chantes, hein, eh, tu vas eh, nous dire comment est-ce que tu as aussi entamé ta carrière euh, euh, musicale et pourquoi aussi tu as décidé d'aller avec ce genre musical, le, le chant. Ouais. Bon, euh, en fait, euh, je dirais que c'est plus la musique qui est venue vers moi parce que, comme je l'ai dit, à la base, j'ai commencé avec le théâtre. Mais euh, à chaque fois qu'il y a une compétition inter-établissement, généralement, on me demande de participer en karaoké, que je sois celui qui va représenter l'école en chant. Donc, ça a débuté comme ça et à chaque fois que je chante, j'avais des bons retours. C'était les gens étaient ébahis, mais waouh, tu chantes bien. C'est ça qui m'a fait comprendre qu'en fait, Dieu m'a donné un don. Ok. Et que voilà, je devrais l'exploiter. Donc, c'est vraiment plus les gens qui m'ont poussé vers la musique. C'est la musique elle-même qui m'a tiré vers elle. Et puis, c'était, parti. Et concernant les genres musicaux, je, moi personnellement, le genre que j'aime, c'est plus le RB et autres. Mais il y a également le genre que les gens veulent. Donc, euh, on est là pour eux. Donc, on est obligé de leur faire plaisir. Donc, je me suis lancé dans la world music, je fais de l'R&B également, je mets du slow, je fais un mélange d'afro et tout ce qui va avec en fait. Super. Enfin, avant qu'il fait un peu de la musique tout au long du parcours, euh, tout à l'heure tu vas kiffer quelques sons euh, et voilà pour me faire plaisir de temps bien sûr. Il n'y a aucun problème. suit donc. Euh, damu zikiata nafarinjikia aye, Ladies and gentlemen, comme annoncé, donc nous sommes à nous donc euh, doit se tenir euh, cette émission. Pour rappel, nous sommes avec euh, l'artiste Kitali. Kitali, ça va bien Ça va très bien. Un petit acapella pour entrer dans le vif du sujet. Ok. On dia bayanteniga, on dia bayanteniga. super. <laughs> Nous allons parler de l'album parce qu'on a déjà eu ton genre musical. Parlons de l'album d'héritage, qui fait euh, le buzz. Héritage dont monde en parle. Héritage, c'est en fait le nom de mon album. Héritage, c'est mon histoire. Je parle à travers cet album de l'héritage que j'ai reçu de ma maman et du poids que cela représente pour moi Super. Et les tâches nous sommes donc euh, pratiquement à la fin de cette dernière partie, amis téléspectateurs et téléspectatrices du studio Kalam. Pour rappel, vous êtes sur l'artiste s'exprime. Alors, c'est Kitari, l'artiste de la semaine, qui s'exprime donc sur l'émission Tous à la Fada. Nous sommes à la fin. Un dernier mot à l'endroit des fans, un dernier mot à l'endroit des artistes nigériens, un dernier mot à l'endroit, bien évidemment, de tous qui nous suivent pour qu'ensemble nous puissions changer les choses. C'est possible. C'est plus que possible à l'endroit de mes fans, à l'endroit des fans de tous les artistes nigériens, en fait, ce que j'ai à dire, c'est continuer à soutenir l'artiste nigérien. Quand il y a un concert, sortez, parce que c'est grâce à vous que le Niger va avancer musicalement. C'est pas nous. Nous, ce qu'on peut faire, c'est chanter. Ce qu'on peut faire, c'est vous faire plaisir. Donc, aidez-nous à vous faire plaisir. À l'endroit des artistes, Sincèrement, je dirais merci parce qu'ils sont nombreux qui ont décidé de m'accompagner. Le game est arrivé à un moment où c'est entre nous, les artistes, il faut qu'on se donne la main pour que la musique et l'art de manière générale puissent avancer. Ainsi parle l'artiste. La balle est dans votre camp. Et